mais ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné. On a gagné le projet, on devait donner 100 millions, mais on n'a rien donné. Depuis que l'affaire a, été faite, on a en donné. 2019, on a, en 2019, on n'a rien, rien, rien, rien donné à la famille. Se réveille un bon jour, on, on, les a graciés comme ça. Vraiment, le président m'a poignardé au dos moi, je fais la politique et je le fais avec un grand responsable politique au euh, quartier Euh, vraiment, je soutiens tout le monde. Tout le monde sait que moi, André Khadifa, je soutiens Macky Sall. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et là, vous êtes dessus. Ah, il m'a très, très, très, très touché. Il m'a très touché. Merci. Bonjour, maman. Bonjour. Aujourd'hui, euh, après avoir suivi le journal de CNTV, euh, vous êtes sous le choc, vous êtes abattu, vous êtes meurtri. Dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez exactement Je sens une douleur, une douleur, douleur poignardée, vraiment. Je suis dessus, je suis dessus. Je ne savais pas que on va faire ça. Ça, mon Vraiment, vraiment, je suis très dessus. Très, très, très dessus. Des gens qui ont été impliqués et reconnus euh, coupables, hein? reconnu coupable sur les faits. Le procureur, le procureur de la a fait euh, son déclaration sur les faits. Ils ont tué, enterré, euh, vivant, tout ça, on a Votre fils a été enterré vivant. Mon fils, Ababakar Diagne, a été enterré vivant. Il a sa famille, il a ses enfants. C'est mon aîné. Ses enfants avec moi, avec sa femme. Sa femme ne sort pas de la maison parce que c'est moi qui les ai retenus là-bas pour, pour, pouvoir garder les enfants euh, pour leur avenir euh, demain. mais. maman tur beeg sant bi. man Ndeye Khady Fall laa tudd. Ndeye Khady Fall. Mhm. ah euh, lan moo doonoon say kàddu yu njëkk dégg nga li xew de. ah li xew de man dégg naa ko na ma yëgee woon lu bon loolu ñu defoon ci télévision bi noonu laa ko yëgewaat tey. mu doon lu metti lu tiis nag lu metti loo xamante ni tey dellusiwaat naa ci sama naqar te defe naa ni booba sax naqar bi bii la bii la bii la gën a metti ndax booba sax xëy na def nañ ko yoon teg na leen loxo ngay dalale loolu sa xel tey jii nag dañoo xëy bàyyi leen bàyyi boo xamante ni xawma fuñ ko teg ci ndigalu président de la république loolu daal xawma fan lañ ko teg ndax ñoom li ñu def dañoo acte barbarie la rey procureur def déclaration ñu xool sur les faits gis ni ñoom ñoo leen rey suul sama doom Ababacar ca deewul ñu arrêté leen ci prison yi ñu a toog ans travaux forcés ñu def projet bi ñuy dugg ci année bi lañ def projet projet bi ñu projet bi ñu ni dinañ millions ba léegi euh, ba. ba léegi dédommage boobu. ba léegi fii ma toog di wax ak yow.